Mon quotidien d'aujourd'hui, mardi 25 juin 2024. Tiens, Dieu n'est jamais encore en état. Dieu n'est jamais en retard Dieu n'est jamais en état. Test lecture Jean chapitre Jean chapitre Dieu n'est jamais en retard. Test lecture Jean chapitre 11 Jean chapitre 11, disons à partir du verset 18 à 32. Jean chapitre 11, à partir du verset 18 à 32. Lisons la parole de Dieu ensemble. Et, et comme Bethany était près de Jérusalem en 15 cas d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marie dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même si, maintenant, même si je, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je le dis, ton frère suscitera. Je sais lui, je sais lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même et il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Et elle lui dit, Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était encore le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient l'ayant vue se lever, promptement de sortir, le suivirent disant, elle va au sepulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus voyant pleurer, elle, les chiffres qui étaient venus avec elle, frémit son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis Jésus, l'avez-vous mis Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Le verset 23 est le verset clé qui dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, ton frère ressuscitera. Un auteur anonyme, a écrit Dieu n'est pas en retard face aux événements. Il n'arrive pas non plus trop tôt. Il arrive toujours au bon moment parce que son, temps est parfait. Il ne calcule pas comme le font les hommes, mais ses décisions sont basées sur ce qui est le meilleur en son temps parfait. Gloire à Dieu. Dans le passage biblique d'aujourd'hui, Jésus a été informé que Lazare de Bethany, son, nom était mal, euh, son ami était malade. Cependant, il ne se pressa pas de partir. Il savait que cette maladie n'était point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Par ailleurs, Lazare mourut pendant que Jésus était encore loin. Imaginez ce qu'avaient pu penser ses disciples lorsque Jésus leur annonça que Lazare était mort. navaient avait-il pas dit quelques instants plus tôt que cette maladie n'était point à la mort Les chrétiens doivent comprendre que Dieu ne voit pas les choses comme les hommes. Marthe, l'une des sœurs de Lazare, savait que Jésus pouvait ressusciter son frère, mais ne savait pas comment cela se produirait. Même lorsque Jésus l'a rassuré que Lazare reviendrait, ses pensées s'étaient tournées vers la résurrection au dernier jour. Cependant, Jésus lui parla de ce qu'il allait faire en ce moment précis. Le Christ a fortifié, a profité de l'occasion pour lui dire, ainsi qu'aux autres personnes qui étaient là, qu'il était la résurrection et la vie. La confession unanime de Marthe et de Marie Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, Seigneur, si tu eusses, si été ici, mon frère ne serait pas mort. Cela là, que le Christ était arrivé trop tard. Mais pour le Seigneur, mais pour le Seigneur n'était jamais en retard dans les aucune situation. Jésus a délibérément regardé son départ de deux jours après qu'il savait qu'il serait glorifié par le miracle. Quatre jours dans la tombe suffisaient pour confirmer la mort de Lazare. Souvent Dieu commence à œuvrer lorsque nous arrivons au bout de la nerf, au bout de nerf. Vous trouverez actuellement une situation difficile et vous avez perdu tout espoir. Êtes-vous troublé par un mal tenance une situation désespérée ou une déroutante. Les gens vous ont-ils abandonné Soyez rassurés aujourd'hui que le Seigneur ne viendra pas en retard. Il ressuscitera. Il ressuscita Lazare qui était mort depuis quatre jours. Il vous fera sortir de cette situation désespérée. Amen. Il répondra à votre prière et vous délivrera. Amen. Gloire à Dieu. Pensez du jour. Le timing de Dieu est parfait. Le timing de Dieu est parfait. La Bible en est un nom. Zacharie chapitre ascend. Shekharisa, please sink and ah, sink. Amen.